donc sommes dans la journée de l'excellence et du partenariat Nous euh, nag ñu ngi non s'il vous plaît euh, journée de l'excellence et du partenariat parlons avec le docteur Makoumba Diouf et c'est important aussi de sa présence avec nan nga journée. oui voilà justement donc là aujourd'hui c'est la journée d'excellence. on doit primer des élèves aujourd'hui alors euh, c'est dans le cadre de motiver les élèves qui ont déjà donc bien fait un bon travail et aussi également pour motiver les différents chefs d'établissement, à savoir les principaux, le préviseur et les, directeurs. Alors donc là, je pense que euh, ça sera une très bonne journée et je souhaite également que, ça se passe dans de meilleures conditions puisque déjà pour nous, pour, euh, disons, euh, département, je pense bien que c'est la première fois, n'est-ce pas, ensemble avec les, chefs, les, directeurs euh, des codecs, et je pense bien que ça va se passer bien. Et je souhaite que ça se passe dans de meilleures conditions et que ça soit donc euh, une manière disons, euh, répétitive, c'est-à-dire que chaque année, qu'on puisse organiser ça. Vous pouvez nous parler sur Moussio euh, Monsieur en tant que le maire de oui. et aujourd'hui le prince de cette journée Comment vous dites Vous pouvez nous parler sur euh, euh le maire de Lambengue, et en même temps le prince de cette journée. En tout cas, euh, je viens d'apprendre quand même que lui, c'est un homme qui est quand même très disponible et c'est un partenaire également de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle même, donc, euh, on, a, donc voulu lui dédier cette, journée pour qu'il puisse au moins peut-être faire un geste pour ces, élèves-là qui doivent recevoir des prix aujourd'hui merci beaucoup. asalaamaaleykum euh, soxna si ñu ngi lay nuyu en tant que taille journée de l'excellence du partenariat édition 2019 nous nañu xam sa présence tey fii ak lan moo waral surtout aussi euh, ñu parrainé ko docteur Macoumba Diouf le maire de Latmingué euh, tey lan nous ñu mën wax ci loolu. voilà merci beaucoup damay commencer par nous d'abord. di rafetlu aussi bés bi nga xamante ne nii IEF Kaolack département daf ko organiser pare ne ko nag comme ni nga ko waxee léegi docteur Macoumba Diouf ndax ma Macoumba Diouf aussi référence la ci au niveau du département. looloo tax parce que booy xool bu ñuy parrainé dañuy seet ñi nga xamante ne nii dañoo nekk ay référence pour xale yi ñu pare ne leen journée yu mel nii loolu moo tax tey ñu yëkkati journée bi teg ko ci kawam. loolu aussi dafa am importance ndaxte yaakaar naa ne war nañ koo euh, maanaam delloo njukkal comme ni ma ko mën a waxee pour nga xam ne bu déwénee incha allah fa mu teg woon tànkam dina def lu ko weesu dina jox aussi ay moromam euh, modèle boo xamante ni dañ naan a ah, ñun ko bu déwénee bëgg nañ diw mii niñ ko ooyee sargal ko ci ay naatangoom ñu ooyee ko ñun tamit sargalee ñu ñun tamit suñu kanam naatangoom te yemul ci élèves yi kese ndax am na ay directeur d'école yoo xam ne tey dañoo def ay résultat résultats ñooñu aussi leen ci seeni i biiri seeni seen i biiri nawle sargal leen ñi nga xam ne aussi dañoo liggéey ba à la traité ñooñu tey tamit IEF bi oo na leen pour delloo leen njukkal ndaxte pour service Nous avons journée nous ñu merci beaucoup. Madame l'inspectrice de l'Académie de Kaolack, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Kaolack département, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Kafrine, Monsieur les inspecteurs, Monsieur le président de CODEC, Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur le directeur d'école, Monsieur le président de l'Union des CGE de Caloc département, Monsieur le président de l'APE départementale de l'Association des parents d'élèves, chères enseignantes, chers enseignants, chers parents, chers invités, chers élèves. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant, de nous donner l'opportunité de remercier vivement Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Caloc département, et ses collaborateurs d'avoir organisé cette journée pour récompenser nos meilleurs élèves. Nos enseignants qui ont tout donné pour l'éducation et nos, partenaires qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre noble mission. Cette rencontre d'aujourd'hui, au-delà de son aspect solennel, marque une étape importante dans le, dans le cursus scolaire de l'apprenant. C'est la fête de l'excellence, qui a pour objectif principal de récompenser les excellents. Et considérer comme, excellent, d'appeler le petit Robert, celui qui, dans son genre, atteint un degré éminent de perfection. Donc l'inspection, dans le cadre de ses activités, en inscrivant dans son agenda l'affaire de l'excellence, participe, à n'en plus douter, à la manifestation de la, de la qualité de l'éducation qui reste une des préoccupations majeures de l'État du Sénégal. En effet, après les résultats très bromants en matière d'accès, les défis de l'heure de notre, de notre système euh, éducatif restent l'amélioration significative de la qualité des enseignements-apprentissages. Ainsi, la coordination des collectifs des directeurs vous témoigne, Madame l'inspectrice, sa profonde gratitude et sa disponibilité constante à vous accompagner pour relever les défis. Cette fête, à travers cette, belle mobilisation, participe à la culture de l'excellence, facteur de motivation pour les élèves et pour toute la communauté éducative. La COCODEC se réjouit pleinement de cette belle initiative et vous en félicite beaucoup. Pour une journée d'excellence à dimension départementale et à la mise à profit des efforts consentis par les élèves, les enseignants les plus méritants et les partenaires n'a plus point de faire douter tout, acteur averti du système, du système éducatif. La CODEC, la COCODEC, plus que jamais déterminée, malgré leurs faibles moyens et leurs charges supplémentaires, se joint à vous, Madame l'inspectrice, pour, pour l'atteinte des objectifs tels le relèvement du taux du CFE, une administration scolaire efficace et performante, un personnel compétent et engagé. Soyez rassurée, Madame l'inspectrice, de notre indéfectible collaboration. Nous nous engageons fermement et résolument à mieux vous servir pour atteindre les objectifs fixés et à, hisser le département au plus haut niveau. Cependant, nous voudrions vous demander, comme vous y êtes déjà, de nous accompagner davantage, de nous appuyer et de nous motiver dans la mission que vous nous avez déclinée. Autorités académiques, enseignants, collectivités territoriales, parents d'élèves, syndicats, engageons-nous davantage pour rendre la quête de l'excellence pérenne. Sur ce, rapport, j'aime bien rappeler Bachelard, dans Nouvel, dans Nouvel Esprit Scientifique, où il disait Le fait suggère l'idée, l'idée déluge l'expérience, et l'expérience juge l'idée. Fin de citation. Pour dire simplement comment l'idée est d'une importance capitale dans un cadre de concertation et de réflexion. Cette idée, Madame l'inspectrice, vous et vos, collaborateurs, nous y invitent toujours. Mesdames, Messieurs les infidèles, l'éducation est à coup sûr le levier du développement socio-économique d'un pays. Si l'on croit à ce grand homme qui clamait fort, je cite, point de développement sans éducation. Chers enseignants, si nous acceptons de prendre en charge correctement l'éducation de nos élèves, comme nous nous occupons de nos projets économiques le défi de la qualité de l'éducation sera assuré. À vous, chers élèves, lauréats d'aujourd'hui, je vous félicite beaucoup, mais sachez qu'il est difficile de se hisser au sommet, mais très facile de chuter. Ne prenez pas ces récompenses comme une fin en soi, mais comme un commencement. Redoublez d'efforts pour pouvoir revenir l'année prochaine, Inch'Allah, rafler les mises. À vous, monsieur le parrain de cette grande journée, tout habitant de Kaolack département ne doute point de votre générosité et de votre engagement pour la réussite de cette journée, mais surtout et surtout des efforts consentis dans votre commune dans le domaine de l'éducation pour un rayonnement de toutes vos écoles. Soyez-en remerciés. À vous, président de Codec, je ne saurais terminer sans vous dire encore merci des efforts que vous déployez avec désintéressement à chaque fois. Monsieur le préfet du département de Kaolack, messieurs les sous-préfets de Kumbal et de Ndiédiène, monsieur le représentant de l'inspectrice d'académie, monsieur le représentant du, président du conseil départemental, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Kaula Commune et de Kafrine, messieurs les maires de Ndiédiène et de Kersosé, messieurs les autres représentants des maires des communes de Tchombi, Ganya et Sibassor, messieurs les inspecteurs, monsieur le président du collectif des chefs d'établissement, monsieur le coordonnateur du collectif des directeurs d'école, mesdames, messieurs les chefs d'établissement et les directeurs d'école, mesdames, messieurs les présidents des unions de CGE, monsieur le représentant de, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, chers parents, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers lauréats, chers élèves, chers partenaires, honorables et distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous a fait le privilège d'être ici ce matin parmi vous pour célébrer la journée de l'excellence et du partenariat organisée par l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaolak département. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur, un honneur et un immense plaisir de m'adresser à vous en cette cérémonie de remise de prix et de distinction aux lauréats. En effet, cette cérémonie qui a fini de prendre date dans l'agenda de notre IF nous permet de distinguer, de récompenser et d'honorer des jeunes, filles et garçons, des acteurs et partenaires de l'éducation qui se sont particulièrement distingués sur le chemin de l'excellence. Que tous les initiateurs de cette journée et ceux qui ont contribué à maintenir cette flamme trouvent ici l'expression de la profonde gratitude de la communauté éducative. Chers lauréats, la communauté éducative, en organisant cette cérémonie pour vous honorer, veut vous inciter à la requête inlassable de savoir, d'abnégation, de persévérance et d'humilité. Cette année, en choisissant pour vous le docteur Mokumbo Diouf, directeur de l'horticulture, maire de Ladmengue comme parrain, elle veut vous encourager à toujours rechercher la bonne éducation, mais aussi et surtout l'excellence. Mesdames, Messieurs, cette journée de l'excellence est organisée dans un contexte où l'école sénégalaise entame des réformes dont la finalité est l'atteinte de la qualité et la promotion de la culture de l'excellence. C'est cette culture que nous recherchons tous institutions, acteurs et partenaires de l'éducation pour en inculquer les valeurs aux jeunes générations. Cependant, la pertinence et l'efficacité des réformes et innovations à travers les projets et programmes qui interviennent dans l'école ne semblent pas toujours être bien comprises par les différentes familles d'acteurs. Une telle situation peut légitimement être source d'inquiétude pour les parents et empêcher leur implication. Cette cérémonie m'offre donc une belle opportunité d'en appeler à la nécessaire collaboration des différents secteurs autour de l'école. Car je reste convaincu qu'aucune réforme, aussi bien élaborée soit-elle, ne saurait aboutir sans l'engagement des acteurs et sans l'implication de la communauté. Cet appel, votre parrain, docteur Mokumba Diouf, ne l'a pas attendu pour s'engager résolument aux côtés de l'école pour relever les multiples défis qui nous interpellent. En effet, docteur Mokumba Diouf est l'un des élus locaux qui a assumé très tôt les compétences transférées notamment celle de l'éducation. Il a été l'un des partenaires les plus fidèles à notre IF, car il nous a régulièrement soutenus, accompagnés dans nos différentes activités. Je veux en citer quelques-unes. L'organisation des examens scolaires, la tenue des sorties du pool académique des, inspecteurs pour l'encadrement des enseignants. La réparation des manuels scolaires à côté du projet pour la préservation des manuels scolaires prémas. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, il dispose d'une avance considérable car il a déjà noué un contrat de confiance et de fidélité avec tous les acteurs du système à la base. En tant que parrain de cette journée d'excellence, il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête. C'est pourquoi vous me permettrez de lui rendre un vibrant hommage et lui exprimer toute notre disponibilité à l'accompagner dans sa noble mission. Mesdames, Messieurs, permettez-moi aussi de remercier tous les généreux donateurs, tous les partenaires, toutes les autorités territoriales et administratives pour leur contribution, toutes les enseignantes et tous les enseignants, directeurs et chefs d'établissement mobilisés pour l'organisation de la journée de l'excellence. De même, je félicite solennellement tout le comité d'organisation de cette belle fête. Ces mêmes félicitations vont à l'endroit du pool des inspecteurs, mais aussi à l'infatigable secrétaire général de l'IF, M. Momodou Faye. inspecteur Mamoudou Faye a fait preuve d'un esprit de solidarité, de responsabilité et de sacrifice pour organiser cette édition dans des délais pas du tout évidents. Jour et nuit, le comité d'organisation a rivalisé d'ardeur, faisant montre d'un très grand dévouement avec la seule volonté de servir le système éducatif. C'est d'ailleurs grâce à tous ces efforts conjugués, aux sacrifices consentis par toutes les familles d'acteurs de l'éducation, au travail abattu par les enseignants créés en main, par les élèves que nous avons pu améliorer par ailleurs de façon sensible les résultats scolaires du département durant ces trois dernières années. Ainsi, au CFE, les résultats sont passés de 45,98% à 52,03%, soit, un bond de plus de 6 points. Au BFM, ils sont passés de 28,64% à 48,84%, soit un bond de plus de 20 points. c'est le lieu de rendre hommage aux enseignants créés en mai et aussi aux élèves. Parce que. dañoo eh ben, ngeen bokkaloon classe ñu nga ca dëkk ba ñu nga tànn Budaay ñu nga tànn Baar ñu nga Kumpaj ñu nga feneen yéen rek a fi teew lu leen waral loolu njàng Nango jang, bëgg jang, nango jang. fexe leen nag ba la ngeen doon def daaw ngeen def lu nu ëpp lu ko ëpp ren. fexe leen ba fii ngeen toog ren bu fi kenn toog ku dul yéen ndax nag am na ñu ne seen seen seen ginnaaw di daw di dang-dangi ndax jot leen buñ leen jotee daa dootaanu dootu leen leen jot mukk mukk mukk mukk séeréer ne na daa ba daawa adoox anga daaw kaan ñi seen ginaaw buñ leen dabee ba jot leen dootu leen leen mës a jot mukk mukk mukk mukk kon nag góor góorlu leen ba ken du leen jot gàcce ngaalaama jàngeen jëf ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen toog ba toog ba ni bés ba toog fi docteur Macoumba Diouf toog yàlla na ngeen toog ba toog fi préfet toog docteur Macoumba Diouf yow nag dinaa la wax gàcce ngaalaama dinaa la wax jaajëf waaye man dama laa seede woon yaakaar naa ki euh, euh, seede yaa ngi fi bi ñooy def suñu CDD de rentrée laa waxoon ci li ma xam ci yow ak li ma xam ci sa morom ah kon dootuma ci dellusi parce que ngërëm mu nga gën a mu ngi gën a neex ci gor su koy wax bukki mooy gërëm teewulee waaye mën nañ laa wax nag jaajëf xale yi kii nii docteur Macoumba Diouf jàngee na leçon ci poto lamp ba benn waajuru ndongo bu baax fekk ko fa seetlu ne bés bu yàlla sax mu ñëw ci ron poto lamp bi ci mbedd mi di fa jàngee leçon kooku baaxee ko ba ne doom yow foo jàngee mu wax ko fa muy jàngee foo def mu nekko laat mi ngi da ngeen amul courant mu ne déedéet sondeel lay taal mu ne ko bés boo namatee jàngale sow ñëwal sama kër docteur Macoumba Diouf mii am na ko bàyyi te ko ko defaloon liggéey naa ci moom liggéey naa ak moom ci organisation bi ñooy wax PAMAS docteur Macoumba Diouf jaajëf préfet góor ñu tedd ñu fi toog kilifa yi jàngalekat yi syndicat d'enseignants yi maire yi communes yi maire de commune yi jàngeen jëf njàng mi yéen lañ ko gàll lu ngeen ci def nun ngeen ko defal man nag may faral di wax ne lépp loo defal sama doom lu koy baneexal lu koy magal lu koy tax a sawar man nga koy defal lépp loo def sama doom lu koy métital lu ko tax a jooy man nga koy def ngeen baaxal ñu wax wasalaam Hayır hayır hayır hayır. Şapın kalesi sasıyla ziyemde asıyla sasıyla. Hatta bak. ndax damaa tëddoon daan nelaw français yi mu liggéey jàpp ma ci benn yoon ndax maa ngi tëdd doon xalaat côté Marisol. ah doom day sa bopp nga xam man ma foogoon ne man rek la ndekete yow sax si nga boobu man de li monsieur bi di expliqué yëpp maa ngi xalaat côté Marisol waaw waaw xanaa xamoon ne côté Marisol mooy yëngal jamono léegi comme que. boobu leen jeex na ñu wékk ko ci côté Marisol ak Mas. waaw bu ma musa bi joxee ay exercice du ko def damay def seetaan di ko temer ba mu neex ah kon nday de yaa ma tane benn côté mm. au ah, moins musa bi bu la joxee exercice donc ko def waaye man mi nga xam ne sama kaya mat ba réer na kaya français ba dina xëy wér nañ ko ba mu jeex ah man kay maa yee mel ni ku dugg cinéma. ngeen génn ko sax buntu école bi kii naan ay potemadu chou kii naan ay golden jax na man ci moom sera bu lu neex nga mu amoo kay yow moom nga ne bu la monsieur bi joxe soo ko def. waaw monsieur bu la joxee ay soo ko deful sa bopp nga kay def ndax monsieur bi am na li am ba pare daf ñuy jàppale donc yéen am na leen xalaatu àdduna. suñuy jotaay rek mu ñëw taxaw di ñu xas mel ni moom dafa am xam-xam yàllaa ko wàcce suñ kanam rek dañ koy comprendre ah moom ne dafa bëri wax rek waaye daan naa dégg ñu naan ñàngum jigéen amul njëriñ ndax dañ lay maye nga sëy wala nga dem ci biir waañ bi rek waaw boo nee ñàngum jigéen amul njëriñ te yaa ngi nax sa bopp ah. te fii si Kaolack gi ñu nekk nii am nañ fi ay référence ku ci mel ni IA ah. madame Diallo IEF madame Kane leneen nag lu tuuti te bëriwul xoolal hôpital régional bu Kaolack bi ki ko dirigé jigéen la te bu fekkoon ne bi mu tollee nii yéen nii la doon def est-ce que tey dina nekk fii bay dirigé ay bi yéen nag bu fekkee ne suñu ànd bi nii la nar a basé woo man du ma àndateeg yéen te man nag dem naa doom li nga wax yëpp a ngi ci moom ñaaw na ñuul na waaye yow xam nga ne kalaas buñ ko toogee duñu may dara gis nga ñii muy dox ay référence ay jigéen lañ te buñ doon doxalee ñi ñuy doxalee kon ëllëg fii ñëpp toog nii ñoom duñ fa toog man de xaw ma kan waaye man nii ndaw dinaa dem mu ni sama kaye jëm koo lijjanti pour ndax dinaa ba ñu ñëw ndax li ñu toog ñun war nañ dem ba toog xanaa gisu leen suñ borom bi jëlee bii pourtant fii ñu toog waxuñ doon lii ñuy wax jàng tàkk am na solo nag njàngum jigéen am na solo hôpital régional bu Kaolack bi jigéen a ba dara dirigé te bu jigéen ñooñu bu ñu royee ni ñun duñ ci toog gis dégg naa ñu naan fu góor taxaw rek jigéen war na faa taxaw kaa ñu delloo suñu xel kat yóbbu suñu bopp yi war nañu

bu ma paree ci loolu ma jëm koo tënk ci wolof pour mu gën a yaatu ci ñenn ñi waaye balaa loolu dama bëggoon ngeen tàccul ma MC ak saajo waaye ak suñu mbokk yi nga xam ne wàllu presse bi lii xew fii tey bu yeggee ci réew mi ñoom la waral ma bëgg ñu tàccu leen monsieur le préfet du département de Kaulak, messieurs les sous-préfets des arrondissements de Kumbal et de Ndjedjeng, mesdames, messieurs les membres du comité départemental de développement de Kaulak, monsieur le haut conseiller des collectivités territoriales, Monsieur Honorable Aliou Demborouka, par ailleurs président du conseil départemental de Ranérou et président national de la convergence des éleveurs républicains du Sénégal. Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation. Monsieur le représentant de Madame l'inspectrice de l'éducation IA de Kaulak. Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Kaulak, notre frère et ami Baba Ndiaye. Messieurs les inspecteurs, et je voudrais distinguer avec votre permission l'inspecteur Mamadou Faye pour son engagement sans faille et le travail parfait d'organisation pour la réussite, je peux l'appeler comme ça, de notre cérémonie. Messieurs les maires de Ndjedjeng, notre ami et frère Bokar Kanta Diallo, mais aussi Malik Ndiagan, maire de la commune de Kersosé, mais également les représentants des autres collègues maires du département, des 14 communes du département de Kaolac. S'il y en a d'autres que je n'ai pas pu voir, je m'en excuse, je vous salue. Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Monsieur le coordonnateur du collectif des directeurs d'école, Monsieur le Président du collectif départemental des chefs d'établissement de Kaolac, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations de parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques, financiers et sociaux de l'éducation, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les responsables syndicaux d'enseignants, chers enseignants, chers parents d'élèves, très chers lauréats et très chers élèves, mesdames, messieurs et honorables invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, mesdames, messieurs, j'ai été particulièrement sensible et honoré pour le choix placé en ma modeste personne par la communauté éducative du département de Kaolack pour parrainer cette édition 2019 de la journée de l'excellence et du partenariat qui prime nos meilleurs élèves, nos enfants les plus méritants. J'ai trouvé à travers la perception éminemment positive que vous avez de ma personne que j'ai l'obligation de ne pas décevoir la communauté éducative qui me considère comme un exemple, mais surtout souhaite me donner en référence aux plus petits à travers ce parrainage. Je dois vous dire, je dois dire que votre choix, en effet, apporté sur ma personne et cela revêt pour moi, pour ma famille, pour mes administrés de la commune de Latmengue, pour mes amis et proches, un caractère éminemment flatteur, mais aussi constitue un motif d'encouragement pour continuer dans la direction que nous nous sommes fixés. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est vrai que j'ai toujours voulu être un homme de conviction, de principe et d'engagement, en phase avec les valeurs de la famille à laquelle j'appartiens et avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents, que je remercie infiniment, tout en me rappelant que je leur serai éternellement redevable. Ceci a été la base fondamentale de ce que vous pouvez considérer aujourd'hui comme ma réussite. Il est vrai également que j'ai voulu être un homme d'abnégation de rigueur, de sérieux et persévérant dans une condition jadis très modeste. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour rappel, au cours de mon enfance et de ma tendre jeunesse, j'ai cultivé la terre à Sambayasin, c'est une zone de Latmengue, à Dagasayer et à Kermamurlo c'est dans la commune de Latmengue. Puis à Kerseidou, c'est dans la commune de Segregata où vivait mon grand-père. J'ai fait le berger avec des amis comme le feu Djadjefal à Latmengue. J'ai servi comme vendeur de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui crème glace, étant étudiant à Dakar entre autres. Ce passage a très certainement contribué à forger ma personnalité au point que de nos jours, très humblement, rien ne m'aime, ne m'impressionne, si quand même, sauf les personnes imbues de valeurs qui me manquent, telles que l'humilité, le sens du partage, l'altruisme, la solidarité envers les plus nécessiteux et le savoir. C'est pourquoi je m'y efforce tous les jours. C'est pourquoi mes références ont toujours été et demeurent mes maîtres. Je peux signer, citer parmi eux Juste à titre d'exemple, M. Diop, Mohamed Diop, au CI à Latmengue. Je peux citer Feu Saedo Barumpe à son âme. Je peux citer Abdelkader Diagouraga, actuel chef de village de Cœur Omar Bambara, dans la commune de Latmengue. Je peux citer M. Sorna pour le lycée et le CM je peux citer feu professeur Amadou Tidjane Ba, qui fut chef de département à l'université, professeur, mais aussi qui fut ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ancien maire de Sédou, merci beaucoup. Je peux citer aussi parmi ses références le feu Amadou Ba, chercheur émérite à l'ISRA, Merci beaucoup, M. Tchao, pour ce témoignage que j'ai, avec grâce à vous, ou ce rappel que j'ai grâce à vous ajouté à mon discours. Feu Amadouba était chercheur à Kaolak, au centre de Kaolak. On habitait dans le même quartier quand j'étais au lycée. Justement, c'est devant chez lui, sous un lampadaire, que j'apprenais mes leçons. Tchao n'a pas voulu prononcer ce mot. Son nom, Attends, Excusez-moi, monsieur Tchare. Et un jour, il m'a trouvé en train d'apprendre mes leçons. Il m'a demandé pourquoi je me mettais là. Je lui ai dit parce que chez nous, il n'y a pas de l'électricité. Et je veux apprendre mes leçons. Il m'a félicité et encouragé et m'a remis la clé de sa villa pour que désormais j'apprenne mes cours dans son salon. Oui, le savoir et l'excellence, c'est de ça qu'il s'agit. Et les autorités de l'éducation dans le département de Kaulak, initiatrices de cette journée, l'ont bien compris. Mais pouvait-il en être autrement si l'on sait que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, dépositaire de la confiance du peuple sénégalais, produit de cette même école publique, de ce même lycée Gaston Berger que j'ai fréquenté, a été le premier à indiquer la voie. Sa vision claire et avant-gardiste à travers le plan Sénégal émergent, promeut un développement socio-économique de notre pays, mais dans l'équité, j'insiste bien sur le terme, l'équité et la solidarité. À l'horizon 2035. Oui, c'est parce qu'il a compris que point de d'émergence sans excellence. Ceci s'est traduit entre autres dispositions dans le paquet. Et je, cite ce programme comme exemple parmi les nombreuses réformes dont Madame l'inspectrice, Madame Kandji, a parlé tout à l'heure au niveau de notre système éducatif. En réalité, c'est l'ignorance et l'obscurantisme qui favorisent ou qui sont à la base de certaines dérives auxquelles on assiste dans notre société. D'où l'obligation de la quête du savoir par l'éducation et la formation qui éclaire la pensée et l'action. C'est en cela que le prophète Mohammed sublimait la vertu de la science auprès de ses compagnons en leur disant Allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Je voudrais saluer, c'est en cela que je voudrais saluer la dynamique actuelle de refondation de l'école publique sénégalaise pour en faire une école de réussite qu'elle a toujours été, a produit nos maîtres et nous-mêmes. Cependant, il est question pour l'ensemble des acteurs d'apaiser le climat social de l'école en mettant un terme ou en les réduisant au strict minimum les perturbations qu'elle connaît ces dernières années. Cher lauréats, dans la quête de l'excellence, seul l'effort et la constance payent. C'est pourquoi, tout en, tout en vous exprimant mes sincères félicitations, je vous y engage. J'associe à ces félicitations tous vos enseignants et de tous les établissements du département, mais aussi vos parents, pour leurs efforts récompensés par les résultats que nous fêtons aujourd'hui. Je veux rendre hommage aux parents pour toutes les privations consenties dans l'éducation de leurs enfants. Chers lauréats, vous avez franchi une étape parmi les nombreuses qui vous restent. Cette étape de la quête de l'excellence. Et encore, il vous reste comme je disais, surtout, beaucoup d'étapes à traverser parce que le chemin est long, mais surtout parsemé d'embûches. Quelqu'un le disait tout à l'heure, j'allais dire, tous ceux qui m'ont précédé l'ont dit. C'est peut-être le plus compliqué, ce n'est pas de se, de se hisser à un niveau de l'excellence, mais c'est de s'y maintenir. Donc je voudrais aujourd'hui que vous me promettiez de vous y maintenir pour les éditions à venir. Je voudrais saluer également les investissements ô combien importants que l'État a consentis pour le secteur de l'éducation ces dernières années. Une mention spéciale naturellement au chef de l'État, le président Macky Sall, et à son gouvernement. Je voudrais également, avant de terminer, répondre à un appel qui était un projet dans ma communication. C'est que on ne ferait pas une bonne ou la meilleure peut-être des écoles au Sénégal si entre autres disciplines on ne promeut pas la science et la technologie. Parce que je n'ai rien contre nos frères et amis, penseurs, philosophes et autres littéraires, mais ma foi est que c'est la science qui est en train et qui va continuer à révolutionner le monde. Demandez aux spécialistes des télécommunications. Demandez au génie des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Voilà pourquoi je suis porteur d'une idée. C'est même plus une idée, puisque j'ai au moins en ce moment la possibilité de le démarrer, en attendant de faire appel à des moyens plus importants. C'est un projet, une école, un potager. Ça revient à une requête on parlait tout à l'heure de micro-jardinage. C'est M. Sadio qui en a parlé, si je ne me trompe. L'objectif sera multiple. Le premier, il est d'abord pédagogique. Pour intéresser les plus petits et très tôt à la chose agricole. Je me rappelle, nous, on a eu cet avantage quand on était à l'élémentaire. Le deuxième, ce sera de produire des aliments capables d'être utilisés dans les cantines scolaires pour le coût, la disponibilité, mais surtout pour l'amélioration de la qualité nutritionnelle des tout-petits. Et on sait que la qualité de l'alimentation influe beaucoup sur le coefficient intellectuel de l'enfant. L'autre dimension, c'est une dimension environnementale. Ça nous posera, ça nous poussera à encourager la plantation d'arbres dans l'environnement des écoles et de contribuer à notre manière aux différents programmes du chef de l'État, que sont le programme PSE vert, avec la reforestation et l'agroforesterie, mais également le programme zéro déchet et ne parlons pas, on ne parlera pas en ce moment de bidonville dans nos villages. Voilà, monsieur le préfet, madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, toute autorité, tout protocole observé. Chers invités, mon projet, pour moi, proposition de poursuite du partenariat avec l'école, dans le département de Kaulak. Je voudrais remercier toutes les bonnes volontés, les personnes physiques ou morales, pour leur soutien qui a contribué et qui contribue chaque année à la réussite de cette belle fête d'excellence. Et je remercie tout le monde pour votre aimable attention. élèves lañu ci biir élèves yi waral ñu daje fi tey nuyu leen sant leen li may tënk li ma bëgg tënk ci li ma doon wax mooy ñaar ba ñetti mbir la woon rek benn bi mooy wax leen mbégte mi ma am ci ñu tuddee ma bés bu mel nii ndax ñi fi góor góorgóorlu tuuti ci am njàng ba am fuñ ci yegg bari nañu du man rek ñi fi yalla baax yi ndax baax yalla la bu bañ jàngee njàng ma ñu mëna japp ci dara ba ñuy am ay cër lu ngeen di jox ci réew mi loolu it du man rek ñi fi cosaanoo waxatuma ko du man rek maa ci gën a kon ci gàttal xéewal la rek ñu tànn ma ma lii waaye ñu ko bari nañ ma jàpp loolu comme ñaax mooy xiir bi ñuy caw fas wi pour gën koo labbali mu gën a daw noonu laa ko jàppe man sama njaboot ñi ma yëlif jiite leen ci commune bu Latmingué ak mboolem samay xarit noonu lañ ko gisee ñu gërëm leen ci sant leen ci di leen digit ne luy soog commencé la diggante buy soog a commencé la incha allah dañ koy saxal bu soobee suñu borom fek ñu ngi fi di ci di wër ak di ko man ñok école bi lay doon bu kaddu ngiram passé ñu doon wax tuuti ci nyu jëm ci walu gorgolu mu joggé nak ci yar buñu suñu ay wayjur yar euh, kenn ci ñom dundatul ñukoy xara ñaan yar yeeram ko kenn ci ñom mu ngi dundu ñukoy ñaanal fan wu guddu ak wër di ko ñaanal mboolem kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ci suñu njàng ba mu yegg ma ci doon ràññee ñenn ci ñi nga xam ne su ma taxawee fii tey ñoom ñoo tax ma bëgg tudd leen pour jaar ci jaajëfal école publique ndax école publique mooy école bu amul fay mooy jàng te doo fay ah kay di nga fay kay waaye say waajur ak réew mi ñoo lay fayal tey ma fàttali ne bi ñuy jàng di fay léegi la xew waaye toll na waxtu dañ doon jàpp ne ku ñuy fayal ci école rek dangaa mel ni ma kumba dangaa xaw a na sax waaye bu dee am nga ak góorgóorlu ci école publique ngay réussir wala gars yi loolu la woon waneekuwul nag ndax fekk école publique école privée day participer ci excellence te loolu laa gis ba léegi baax na waaye waxin la rek pour wën leen ne école publique lu ko gën amul ndax ñun ñii matuñu nag amuñu solo waaye ca lañ génne beneen bi mooy njiitu réew mi tey président de la république Macky nga xam ne moom la waa réew mépp wóolu ci école publique boobu la génne kon xale yi su ma leen di tuddal samay maître ku ci mel ni Mohamed Diop ci élémentaire la won ku ci melni ndom ci yalla yàlla Saydou Bakhoum ku ci melni Abdel Kader Diagouraga moy borom deuk keur Omar Bambara ku ci melni monsieur Soxna fi la won ci lycée ku ci melni Amadou Ba du jangale kat waaye ah kay kat la won ci ISRA dina ci ñewat léegi ku ci melni professeur Amadou Tidiane Ba nekkoon professeur bu mag ci université jité won département. biologie végétale nekkoon directeur bu institut des sciences de l'environnement, environnement après ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche nekkoon après maire de Sédou, kooku encadré ci mon doctorat pour me soutenir ñooñu su ma leen tuddalee yéen it am ngeen ay monsieur Nangam dégg ngeen ma wax léegi monsieur Soxna xamatuma sax turam ndax monsieur rek lañ doon wax bu ñu naan day ci mbedd mi dañuy làqatu. ndax cër kon maa ngi leen di jox exemple seen jàngalekat yi nekk fii tey ci bërëb bi ak ñi fi nekkul te di leen jàngal nañ doon seen royuwaay ndax ñu ñooñu ñoo nekkoon suñu royuwaay ma doon wax ma doon ñëw ci condition bi ma jaar pour ñëpp xam ni am na ñu ma gën a mettile waaye nux-nux mooy am balaa war-war maanaam day metti

dañ koy ger ginnaaw ba nga ko ràbbee nañ cay tëralee gubu dugub yi sax xam naa ko kon bay naa fii ci Dagaseer bay naa euh, wax naa ko léegi ci français fële ca Samba Yacine bay naa Kër Seydou sàmm naa ba ci jaay crème glace waaye ban jaaykatu crème glace étudiant buy jaay crème glace fele ci Soumbédioune keur gi mu nekkoon mu ngi nek ci wetu station Total bi wetu sumbe Soumbédioune xam ngeen station Total bobu monsieur mbeng bu ngeen fegge keuram soxnam moma don mo don sama sama ci mo la don jaayal crème glace bu, ba école tidiane te fekk na ma am bourse entière fekk na sama nek ci université dama fa héberger ay nit loolu ñu don wax ci ci wolof wala ci tubab clando kon xana mujj ma waaye dama amoon ay kilifa yu néew doole ba tax na bourse ba ak xarmat yi cours à domicile yi doy ma woon ma boole ci njaayum crème glace loolu yëpp pour yokk sama ay revenu pour dimbale samay jur waaye la ca mujj mooy bi may def doctorat bourse bi ma amoon bourse française la woon Orstom la tuddoon léegi mu ngi tudd IRD ñoo ma ko joxoon bourse c'est sama professeur yi nek université la don am mo ëppoon li ñuy fayee ko li tax ma taw tek je xam ngeen lan la moy Je ne barke ma bëgg wax leen ne leen du yomba yeen xalé yi kon ginaaw bama dama leen di wax ne président de la république mom fii ak 2035 dañoo am une dem ci émergence émergence nag madame Kanji wax nako. ko bu doon tool it moom ci waram. ñi len di jangal béy ci seen waar émergence à l'horizon 2035 yeen yeen ci dess. kon président lool la wax ñu bëgg ndax momit produit école publique la ndax réew mi mëna suxaliku mu jaar ci yemale ka mu jaar ci ak aku xereñ ma bëgg comme président joxogn na joxogn bi jël na ay réformes yu mu mag def ko ci mi pour gën ko dolel ma bëgg ñun ñëpp ku nekk ci fa nga fété nga gën ci japp kon ginnaw ba ma leen ndokkalee ndax pour nga am émergence il faut nga am li ñuy wax excellence manam ay ñu xarañ ci walu gune nak suma ma ne xarañ nak nekkul ci jang ak jangale rek mais jang ak jangale moy nam nit ki bu doon paaka la ba leneen lu mu bëgg def ci aduna mu man ko def. kon ma bëgg ngeen gën a góorlu maa ngi doon wax léegi ni ñun bu ñu jaaree foofu te yegg fi ñu yegg si nii kon war ngeen a jàpp ne pour leen du pour bàkk suñu bopp ndax amuñu solo waaye pour wan leen rek ndekete mën naa nekk maanaam mën naa nekk ndax gëm nañ ne ñu ñu sut foofu ñu ngi seen biir yéen xale yi toog ci chaise yi waaye nag dama bëgg ngeen gën a góorgóorlu gën a góorgóorlu mu jaar fan mooy góorgóorlu ba nekk premier xëy na yombul gaa waaye bi gën a jafe mooy nga dëkk ci di doon premier kon dama bëgg ngeen dig ma fii ngeen toog ni bu déwénee ak yeneen déwén yi ñëw di ngeen bokk ci lauréat yi ñëw fii ci déwén yooyu laa bëgg ngeen dig ma di wax ni fi may daanelee jere ngeen jëf loolu limu tekki mooy waaw kon fi may daanale mooy wax ci lu jëm ci wàllu li ma borom réew mi dénk muy direction horticulture gis ngeen solo bi mu am fi mu nekk nii ci li gën di dugal koom-koom ci réew mi joge ci exportation ci la bokk fi mu nekk nii juróom-ñetti weer ci fukk ak ñaar soble réew mi la ñuy dunde juróom-ñetti weer ak fukk ak ñaar pomme de terre réew mi la ñuy dunde juróomi weer ci fukk ak ñaar carotte réew mi lañuy dunde màngo ci réew yi ci raw ci exportation ci lañu ñu bokk ci gàttal wàllu horticulture premier ci premier yi ci Afrique la bokk ñun Sénégal te bu doon tombe it tombe baax gaaf la kon ndax bi ñu yàlla xéwalee ñu jot ci direction boobu ci 2013 ak léegi ci la lolu am ñu japp ne lolu jaglé la du gorlu nanam ñi ñaan jambar amul ku yalla dimbalé mo am ñu ngi sant suñu borom ndax suñu borom dimbalé nañu ñu bëggoon lolu gëna fess gëna am jéxital ci région bi ñu dëkk ak département bi ñu dëkk waye comme jangalé mo ay tay ñu dugal ko ñu gën ko dugal ci jangalé ci naka moy bi may ñew sama xel dafa dem ci projet bo nga xam ne maa ko une école un potager manam école bu nek ñu am fa quelques mètres carrés mané nek parcelle bu tolloo kër rek jarul mu yaatu ñu def fa suñuy pompiteer bu waxtam jotee suñuy soblé suñuy carotte jëmbal fa ay garab ba ba mu ba mu naat nga xamné Arthur à tour de rôle la ko xale yi di bëgg di arroser ñu def ay groupe semaine B, groupe bi moy roose tol bi semaine groupe B moy Rose, tol bi bu ko bu ñu defati science naturelle ba ci l'appareil végétatif wara a wax ay sépales wara wax ay pétales wax ay graines de pollen ñu mëna génn salle bi ñew ci parcelle bi ne leen lii sépale pétale de pollen kon dina gën a sawarloo nit ki ndax li ki li ngay jàng te di ko gis dina la gën a sawarloo dina pousse xale yi ñu gën a bëgg science ndax man ngi doon wax léegi ne contre ma Senghor jaajëfe moom ndax mooy père de notre nation waaye littéraire bu mag la littéraire ak philosophie yi fonk naa leen waaye ñi ma gën a gëm man mooy scientifique yi ndax gëm naa ne bu àdduna bi soppee ko ñoo ko soppi ku weddi laajal Moussa Fall ba xam ndax mënoon naa fexe ba tey li muy def fii du ma gêné wu pour tudd ko te xam naa mbokkam dañ ko nangu Dakaractu mënoon naa fexe ba waa Sénégal ak waa diaspora xam li ñuy def fii bu doon du woon science du ay littéraire ñoo ko def sëñ Moussa c'est des scientifiques ñoom ñoo ko def kon science moom mooy base innovation mooy base développement

réew mi gën a jublu ci affaire mbay waaye rawatina mbayum dër muy fruit ak légume kon lii daal moom laa doon daanale di wax ne nag xëy na moyens yi mu laaj yëpp aw ma ko waaye am na as lu ma ci am ndax bu ñu tànnee quelques écoles programme micro jardinage bi ma président dénk mën nañ fa jël ay kit yóbbu ko fa ci biir 2020 bi bëgg naa programme bi commencé bu ko defee ñu tànn ay école ak nu munti lim dinaa ko dinaa ko wax ñu ñu dooree fa liggéey bi bu ko defee buñ ko waxee ak ministre de l'éducation xëy na moom suñu mbokk suñu xarit taala xëy na dina fexe partenaire yi ñu booleel wala les partenaires de l'école ñu ngi fi di ma dégg du ñàkk ñu ci compati dugal ci mu dem ci yeneen école du ñàkk balaa yàgg comme collectivité locale ñu ngi def lu ñu mën te président ànd na ci ak ñun pour que yenn moyens yi ñu jëlee ko ci niveau central ci budget ministère yi yóbbu ko ci collectivité locale yi xëy na dina mujj